sonkorisé ndax wa Pastef dañ dañ di Sonko Sonko na Sonko ba euh, euh, mu réaction euh, surprendre le monde entier ndax dalen may li nga minutes pour Sénégal ñi nek di message di Sonko alors vous jallé ci Awa Baba Cham, Awa Baba Cham, mom, elle a vécu journée bo du ko Awa euh, elle était euh, face to face avec les enquêteurs arrivés au palais de euh, la justice elle a été déférée car dafa a partagé partager photos et ak des vidéos intimes mais également dafa a menacé de mort ci ay message WhatsApp moom a dañ ko libérer aujourd'hui si ci jeudi bi convoqué à partir de 16 h comme ça nous avons terminer li nga alors c'était tout nee restez scotchés sur Dental TV à très bientôt également man di qui m'accompagne avec Tonto Wagal Dina leen indi la information yi en temps réel ici Sénégal mais également si monde entier Restez restez abonnez-vous à la cloche de notification bi xaar information